Vous êtes sur l'imamiti.com, l'actualité des stars, people, divertissement et faits divers au Sénégal et en Afrique. Salam alaikum à tous mes amis, bonsoir. Euh, dañuy on vous dit merci on rend grâce à Dieu Nous avons retrouver notre frère Martin Charles Sagna retrouver nañ ko Malika ci Bor plage il est sain et sauf on peut dire qu'il est sain et sauf ñu ngi sant yàlla bu baax te di leen remercier ci seen prières yeeg ci seen ñaan yi parce que xam nañ affecté na ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mag ndaw xale tout le monde donc euh, on vous dit vraiment merci beaucoup merci encore yalla na leen yalla sam yéen ñëpp merci.